ko di ko xeex nit day ñëw ne ma sama jëkkër daf maa doon nangam ak nangam ma jël histoire bi yenn ko yenn ko yeeg xëy mhm. fekk ñoom ñaar ñu juwoo ma des ca coow la <laughs> loolu sax dal na ma mhm. donc sama xol moo may tooñ sama xol rek ma tooñ deneen tooñu ma da lay découragé wala da lay gën a xalab pour nga gën a non dafay dafay fekk ne pour la mhm. prochaine fois je ça me ça me donne des éléments d' alerte pour la prochaine fois ma xam nu ma ciy demee rek may maîtriser sama fugg may maîtriser sama xol may maîtriser sama yërmande aussi mais mais mais à ce stade euh, euh, Sonko Euh, ci procédure bi mi ngi def euh, moom ak ay avocat wam ay recours ay requête ak yooyu en euh, annulation pour qu'il y ait pas procès yow foog nga ni procès dina am ndax yaa ngi wax te yàgg nga ko wax ne waa APR ñemewu ñu Sonko ni nga xaw a ragal ah, sonko kat ko wax ñëpp dal la saaga la neexu ta ñeme ragal de neexu da ñeme de dëgg yàlla neexu da ñeme neexu ta songu daal neexu ta ñeme de mais su procès amul mais su procès amul Ah, qu'est-ce qui va se passer pour Adji surtout À ton avis, comment, comment, comment elle va. Euh, Adji, rebondir Parce que sa vie a été un peu chahutée et suspendue ah. pendant deux ans. Sa, sa vie ici est foutue, ça, c'est clair. Voilà, voilà, c'est ça que je veux dire. Sa vie ici, mon. Puis, mon, fi dund, mon. xawma ah. fan de la vie devait dund ndax tamit y a des gens qui vont lui en vouloir et puis des hmm. fanatiques hmm. pas forcément des gens mais des fanatiques hmm. tamit ñi wara def dara dinañ def dara jappalé ko euh, elle, aura beaucoup de mal. Euh, elle, aura beaucoup de mal. mais il y a une femme qui a été violée dañ son dañ Elle dañ été violée dans son intimité mu dem ba bi mhm. est-ce que c'est normal est-ce que finalement la mhm. femme n'est pas violée tamit ce mhm. waral euh, ku mel ni elle a le droit de porter plainte elle a le droit d'aller devant la justice justice à Telen. elle a le droit mais loolu tamit mooy andi que yenn certaines femmes préfèrent le silence. Mais combien de Tant. femmes préfèrent le silence Il y a des femmes qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui n'osent pas parler. Mais exactement. Elles n'osent. C'est pas parce que c'est. Parce qu'elle raison, faux, mais elle a elle a man comme elle l'a dit elle d'ailleurs bu xamoon ne nii lay demee xëy na du dem du dina ko toggaale. Mhm. am na jigéen ñu bëri ñu ngi toggaale loo xamante ne. exactement buñ ko waxoon réew mi tàkk. Mhm. Ah. ñoom ñoom ñu ngi dox seen dox normal. qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Respecter euh, les gens. Mais respecter les gens. Respecter le droit des gens d'aller porter plainte. Mhm. Le droit des gens à demander justice. Là, le droit, on n'y pas Ousmane chaque jour nous demande un droit mhm. il faut que ñu jox ko ko mais Adji Sarr tamit ay droit am nañ ko ko jox mhm. loolu rek moo fi en tout cas est-ce que tu n'as pas peur pour sa sécurité à qui non je pense qu'avec trois tous les agents de la BIP 24 heures sur 24 je pense qu'elle n'a <laughs> pas de problème de sécurité mais normalement le dafa mel dit euh, euh, aji euh, que sa vie tourne en tout cas tourner autour de toi autour de de de, ces agents là elle n'a presque pas de vie hein elle. malheureusement. oui elle n'a hein. presque pas de vie elle a pas de vie. oui elle n'a presque pas de vie. est-ce que c'est normal pour un pays qui se dit démocrate. oui oui oui. À qui la faute mm-hmm. Mais à ce pays. oui et aussi à, un défaut de prise en charge aussi parce que normalement fille mais tu sais que je, vais te dire dénoncer on a Ou nous nous dans tous les sens. Hmm. ça fait deux ans à ce jour ça à lui cloîtré mais elle n'a toujours hmm. pas de suivi psychologique. à ce jour. Hmm. il n'y a toujours pas ça. Grave, qui est et ce qui est extrêmement grave. et c'est une faille de l'État. parce que euh, euh, normalement. il y avait un dispositif d'aide sociale qui devait être mis en œuvre à travers un médecin psychologue qui puisse faire une prise en charge. On le fait pour d'autres femmes victimes, mais mm. l'État ne le lui a pas donné. Pas de peur d'être inculpé de, de, de mais, aussi, euh, Gabi, c'est dommage. Mais oui, c'est dommage. Mais je pense aussi que même si l'État ne lui a pas donné ce soutien à la psychologique, dont elle a grandement besoin. Mais est-ce que tu as mis, euh, y, euh, a où, ak peut-être sais pas bon xawma amna ou pas mais. non mais moi j'ai assez fait non c'est qu'à un moment donné j'ai assez fait il faut que mm. chacun prenne ses responsabilités. Euh, il y a un moment donné l'État a reculé sa famille a reculé. Mm-hmm. et j'ai pris en charge des choses que je ne prendrai plus en charge. il faut que les gens dans ce pays soient responsables ñu c'est mm-hmm. une responsabilités. Mm-hmm. parce que c'est bien beau qu'on que sur le papier je gère. je gère. Mais il ne gère rien du tout. Le mec qui te dit qu'il gère, il gère rien du tout. Parce que si nous gérons une affaire, de tol, film ni. Ouais. nous que du ñu fekkee leneen ak leneen di xew. mais finalement. donc il faut que aussi qu'on arrête. est-ce que Gabriel Kane finalement dans cette affaire là au moment où je te parle est-ce que du da nga ragal wala da nga découragé. non ragaluma découragé mhm. mais euh, je suis stoïque en fait. Mhm. Mhm. parce que euh, li ma wax xam tubaab bu baax. <laughs> C'est-à-dire que, les il y a un moment, je ne peux pas avancer toute seule. Mm-hmm. Euh, L'État ne peut pas ne pas prendre ses responsabilités, sa famille ne prend pas ses responsabilités. Mm-hmm. Et moi, j'ai pris les responsabilités de tout le monde. Jusqu'à mm-hmm. un moment donné aussi, je ne peux plus. Moi, tout le monde. mais mais mais mais aji euh, euh, dama me euh, ñoom temps bi temps, jël di ko ak sécurité ak sécurité mais au moins voilà quelqu'un qui a Euh, euh, quand même pendant bientôt trois ans. Elle a un problème mental. Ouais, c'est ça. Il faut le reconnaître. Elle a une... Et puis le problème, la maladie mentale. c'est et c'est une non assistance à personne en danger Ouais, absolument. Donc alors, l'État du Sénégal est en train de faire mm. une non assistance à personne en danger. Mm. xam nga bu ne mm. je porterai plainte contre l'état du Sénégal. parce que c'est une non assistance à personne en danger. Ah. mën na fi jaar dof est ce que xam nga ça mais mais mais mais mais mais. Euh, euh, xam euh, na Gabi est-ce que mën nga euh, problème de santé mentale euh, à son niveau nakalay lay euh, qu'est-ce qu'elle fait non mais euh, Aïssatou s'il y avait pas un problème de santé mentale tout ce qu'on a vu là les les les audios les les trucs les audios les machins les trucs on n'aurait pas vu ça mhm. c'est vraiment ñun ñep dégg nañu audio yooyu mhm. je vais pas rentrer dans un truc ce mhm, di wax la du je dis une chose c'est parce que y a un problème de santé santé mentale lol mais Gabriel est-ce que a parce que Yangine, c'est une fille de 20 ans. on n'a pas les moyens psychologiques de la coacher. Mm. c'est pas possible il faut des professionnels. c'est mm. pas un coaching elle a besoin de soins mm. mentaux et ça c'est pas Gabriel man je suis pas outillée. Je ne je peux pas me substituer un psychologue euh, euh, est-ce que tu as lancé l'alerte euh, j'avais lancé l'alerte l'année dernière on a dit que j'ai fait ça pour flinguer la ministre de la femme donc je le laisse faire depuis l'année dernière ça n'a pas bougé non mais donc ça va s'aggraver hein ah, et puis là là ce procès là c'est un procès national Oui. dee avec les problèmes mentaux qu'elle a mm. euh, procès là, nous jëm <laughs> nañ ci dem mais Gabriel les c'est extrêmement alarmant hein, Adji qui n'est pas préparé qui a mm. des problèmes mentaux qu'elle traîne depuis lors qui n'a pas eu de prise en charge psychologique nee dañuy jël xale bi beaucoup de procès mais attends ils sont en train de sacrifier la petite parce que tu ne peux pas lui dire viens faire face à Ousmane Sonko avec 14 avocats mhm. en face luñ la wax ku y ak lam lay lam lay mhm. nga tok 3 ans avec tout ce qui s'est passé psychologiquement tu mhm. n'as pas eu de prise en charge psychologique mais l'état est en train de sacrifier il faut se dire la vérité il faut qu'on se dise la vérité non, non, c'est vrai. Bah, parce que franchement, cette petite-là, moi, j'ai tellement de, de, compassion pour, euh, euh, quoi qu'elle ait fait. on est en train de la sacrifier. Parce que on l'a lâché en pleine nature. Ils ils l'ont lâché en pleine nature. Mm-hmm. Il n'y a aucune prise en charge, il n'y a aucune préparation. Mm-hmm. Ils sont en train de la sacrifier. Mm-hmm. Parce que je ne vois pas Adissar pendant des jours d'affilée. Diacarlo, mm. des juges, des procureurs, la bande d'avocats d'Ousmane Sonko, elle ne fera pas face man mi ko wax. elle ne fera pas face elle peut craquer. ba pare ba pare aussi. quand euh, se dise la vérité bon man mi sax je vais craquer. Mhm. même moi j'aurais craqué devant tous ces avocats là et c'est pas des petits avocats. Quand hein. audience mhm. publique bi. momuy demander demande erreur la. ça va être difficile pour Adji et lu mu fa contre elle na japp de état du Sénégal ak côté. kenen mais mais mais sachons au moins que Adji sera sacrifiée par l'État du Sénégal et par personne d'autre. parce que lâcher une gamine de 20 ans. Hmm. sans aucune aucun suivi psychologique depuis deux ans ñew ne que ñewal procès public Sénégal aduna yeb na la jàkk quatorze avocats ku ñew hmm. yor. lu gëna a hmm. mais pour la santé mentale de cette petite là lu dal du Sénégal sera responsable de ce qui se passera avec cette jeune femme là ça, je le dis. Il faut que les, les, les ONG internationales le sachent.